peuvent vous amener à proférer des propos irrespectueux ou de défiance à l'égard du président Macky Sall qui ne le mérite pas, vous le savez. Le sens d'un engagement, mes chers camarades, candidats à l'investiture, dans quelques jours, précisément le 9 juin prochain, des listes officielles des candidats à la députation vont être publiées par le ministère chargé de l'Intérieur et des élections. Ce jour-là, Bon nombre d'entre vous ne verront certainement pas le rôle y figurer. L'espoir sera alors brisé avec son cortège de dégâts collatéraux du genre menace de votre sanction, propos, propos irréfectueux, irréférencieux, attaque tous assumées contre les dirigeants de notre parti ou son chef. Souvenez-vous en, lieux et en toutes circonstances les vérités que je ne fais que rappeler. Souvenez-vous que le président Macky Sall publiquement a pris sur lui la responsabilité d'investir le candidat député sur les listes de Bernard Bokayaka. De grâce, faisons confiance à notre leader. Assumons les choix du président Macky Sall, même si au finish, ces choix ne correspondent pas à nos... Le président Macky Sall a beaucoup, beaucoup fait pour les populations en 5 ans. Il aime son pays, c'est incontestable. Il se bat quotidiennement pour le mieux-être des Sénégalais. Il mérite le soutien de tous. Nous devons tous l'encourager et surtout éviter ou non. de donner à la liste de la coalition du Benno Bokayakar une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour permettre au président Macky Sall de continuer à dérouler son programme de développement économique et social du Sénégal à travers le PSE. Afin d'atteindre cet objectif, tous les militants de la l'APR et sympathisants doivent se mobiliser pour l'affermissement de l'unité du parti, le renforcement de la discipline interne du parti, la mobilisation de tous les militants derrière le président Macky Sall. Appel du Conseil national des sages républicains. Nous appelons tous les camarades candidats sur les listes de Bernard Bokayakar qui n'auront pas été investis finalement de garder le calme, d'éviter les sorties médiatiques inappropriées et les actes de défiance à l'égard du président Macky Sall, seul responsable des investitures. N'oublions surtout pas que le président Macky Sall dispose d'énormes possibilités pour trouver solution à tous les problèmes liés aux investitures. Parce que la députation elle seule ne règle pas les problèmes des Sénégalais. Si nous devons, et nous croyons, régler les problèmes des Sénégalais, laissons le président du parti investi par le peuple sénégalais trouver, au cas le cas, les problèmes, les solutions à douane. Faisons donc confiance au président et laissons-lui le temps et la possibilité d'étudier et de régler l'ensemble des cas qui pourront surgir au lendemain de la publication officielle des listes de candidats aux élections législatives de juillet prochain. Tout le monde ne peut pas être député, c'est certain. Ils ne seront, que, ils ne seront pas Donc, les listes, par département, nous avons vu pour deux personnes, il y a 50, 60. Naturellement, la sélection va se faire. Elle peut être dure. Elle peut non plus le président ne peut plus non plus satisfaire tout le monde. Donc, faisons preuve de compréhension à son égard. Protégeons notre président. C'est notre devoir. Nous ne, nous, trompons pas de cible. Il faut constater que nous avons des détracteurs. Ce sont les éléments composés de coalition et dans l'opposition resserrons les rangs, évitons les querelles inutiles, travaillons la main dans la main pour le triomphe de la coalition Benno Bokeyakar au soir du 30 juillet 2017. Je vous remercie de votre aimable attention et nous restons, le Conseil reste à votre disposition et nous avons souhaité, compte tenu du fait que nous sommes en pleine période de carême, quelques questions, si cela peut éclairer ou davantage approfondir vos activités. Kad 4 questions peut-être peut-être demb lañu tambali ne dañu bëgg dajé ak yeen ma sha Allah ngeen ñu ñu ngi leen ci gërëm ñu ngi leen ci sant ndax li bëggoon moo conseil national des sages boo xam ne la ci bureau politique bu APR mo bëgg waxtaan ak nit ñi xam ngeen ci jamono ji ñu ngi ci jamono élection législative bu ñu laata tëj investiture yi yéen ñëpp dégg ngeen gis ngeen tamit ñii di bind ñii di wax ci rajo ak télé ngiiroo ak ngaayoo bi nekk ci parti bu ñu tuddee alliance pour la république ñu dem ba nit ñi di saagante nit ñi di xeex di xuloo président Macky Sall mi di président parti bi ne li su fekkente dañu bëgg a liggéeyal Sénégal xeex Nayo, ak xuloo jaru département seet nañ gis ngeen benn département la ñu waxoon ne am na consensus mooy département Guédiawaye je ne fais pas de la publicité mais ñu ci des ñëpp fu ñu war a wut ñaari candidat benn bu góor ak benn bu jigéen ak seen ñaari suppléant ñu gis cinquante soixante cent am na fu ñu dem ba gis cent candidat day jafe président nag ne comme nit ñi mënuñu déggoo ci seen biir ndax investiture consensus maanaam déggoo ci seen biir ndax ci comme déggoo amul ñu war a dem ba di jëlante ay yet ay yu demee noonu mu ni jëlaat na parti bi moom mooy jël waxtaan ak ñu mu war a waxtaanal seet département bu nekk lan la ñu fa war a def yàlla def na def nañu ko bon moo jël liste te 45 département ñan lañ fa war a tàbb mais mu diisoog ñu ko xam ne gi war na diisoog ñoom ndax liste yu ci gën a bare ci suuf lañ jógee ñëw ci moom ah comme ñëpp mënuñu doon député liste bi ñu

ndax poste député rek comme da ngeen taxaw ne da ngeen liggéeyal Sénégal amoon post na réew mi tàkk jaaduwul ñun ñi nag di mag comme koc bar ma ci wolof yi man pël la xam yenn yenn ne mag baax na ci réew baax na bay ci réew du yàlla waa yàgg nag yàlla ñu waxtaan ak suñuy nit ñu dalal seen xel du député rek la am ci réew mi soo bëggee taxaw di liggéeyal réew mi amna na la mëna recycler nga dem liggéeyal réew mi mais su fekkee ne su bopp nga bëgg a liggéeyal ba di tàmmante dëmm di jëlante ay yet ñun mag ñi danañu ne moytu leen mag nag dana toog gis mag dana tëdd gis li xaw xale taxaw du teku du ko gis ay ay réew mi soxlawul ay ñu nekk ci opposition dañu bëgg ne dañuy defaral réew mi ki nit ki fal mooy président Macky Sall ne day defar réew mi tàmbali na juróomi at yi mu ngi def lu mu mun ci secteur yëpp bon nañu ko jox confiance ñun ñi en tout cas ñu ànd ak moom jàppale ko su cëddalee jotee ku nekk sa wërsëg dem ko jot loolu moo taxoon ñu woo leen ñu ne nag ñun mag ñi su doon suñu xalaat suñu xàccoo di dem ñëpp mënuñu àndandoo dem mais ñi demul tamit nañu jàpp ne dañuy liggéeyal réew mi nañu toog waxtaan nañu seet ku nekk lu mu loo ñu jox la su fekkee ne réew mi moo la ñor moo la tax a jóg lii moo taxoon ñu jóg ñëw maa ngi sant nag su may naatangoo yi jóge ci ñeenti dé ñeenti ñeenti département yi kilifa yi toog fii ci suñu wet ku ci nekk dafa yore cellule des sage ci fi nga nekk tàmbali ci dakaar dem Parcelles Assainies dem géejuwaay dem Pikine dem Tingéej et toute la bande yi ñu ngi fi toog bon ñooñu dañu ñëw ànd ak ñun pour waxtaan ak yéen comme kon nak ci wéru koor lañu nek journaliste bo ñu wax fakk ñu laaj nangu nañu ngeen laaj see ñu sét nak ngeen bo ci seen biir au moins ñaar wala ñett waxtaan waccante xalaat e ñu bay ñi sant ba ak séeréer yi ñu dem topoto seen dogu alaykum rahmatullah je, je pense que tous les acteurs politiques aspire au pouvoir, c'est pour tenter de régler les problèmes au quotidien des populations. Nous disons que l'Assemblée nationale est une instance qui règle en partie les problèmes des Sénégalais. Mais ce n'est pas seulement l'instance, la seule instance qui règle les problèmes. Il y a différentes formes de régler, d'assister au règlement des problèmes au quotidien des populations qui nous ont mandatés, qui ont, qui élus et qui, nous, représentons. Si nous représentons la population, il y a forte manière de, pratiquer, de travailler pour que la population trouve dans son jeu euh, la satisfaction. Maintenant, au niveau de notre coalition, vous avez dit, je n'ai pas bien saisi la question. nous avons envisagé, nous avons envisagé, je ne sais pas, vous êtes journaliste, vous savez qu'on a fait une journée de lancement du panel à Daniel Sorano. Nous avons investi les, 45 départements où les sages vont expliquer le travail important abattu par le président de la République en direction des personnes du troisième âge et la, euh, les foyers religieux. On s'arme de ça, on va expliquer. Les sages n'ont que des explications. Les sages n'ont que des conseils. Les sages ne peuvent pas brimer, ne peuvent pas sanctionner, ne pouvons avertir parce que notre mission, c'est une mission d'alerte, de, de conseil et de conciliation. Si les gens ne s'entendent pas, notre mission, c'est d'aller vers eux pour expliquer, pour demander à ce qu'ils chacun laisse de son côté et qu'ils se comprennent. C'est ça notre mission. Donc ce que nous avons comme jeu, et, c'est important, c'est d'abord d'alerter. Nous avons vu tout à l'heure que les gens se, sont, entre-déchirés. Nous n'avions pas la parole parce que le président du parti a récupéré l'organisation. Mais quand il y aura encore des récidives, des récidivistes, ben nous allons essayer de concilier ce qui est conciliable pour éviter des casses. Voilà la mission du Conseil national des sages. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Quelle autre préoccupation Il n'y en a pas. Donc, euh, je voudrais, au nom du Conseil national, vous remercier chaleureusement d'être venu et nous comptons sur vous. Votre rôle est important. Le rôle de préparer les esprits, d'expliquer le pourquoi et le comment. Nous comptons donc sur la presse écrite, filmée et radio télévisée. Je vous remercie de votre aimable attention. Maintenant, M. Ba, M. Ba voudra vous rencontrer parce que l'autre Ba qui avait fait la liaison, c'est un bas. À, l'approche de, la rupture des gens, il n'est pas là. Voyez avec M. Ba,